C'est avec un immense plaisir que nous vous retrouvons dans ce studio euh, pour vous parler de politique, de l'actualité économique, entre autres actualités qui se déroulent présentement au Sénégal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau numéro de votre émission en ligne qui a le privilège aujourd'hui de recevoir deux jeunes le premier se nomme Mohamedou Lamine Mbouch. Il fait partie des responsables des jeunesses du Parti Réuni dans le département de Dakar. Mohamedou Lamine Mbouch, merci d'avoir honoré de votre présence euh, cette émission en ligne. Badara, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Je vous dis bonjour et je dis bonjour à tous les téléspectateurs qui nous écoutent. Et je magnifie aussi le fait d'être aujourd'hui là présent et vous renouez le fait de vous dire euh, merci vraiment pour votre. Tout à fait, tout à fait. À ma gauche, nous avons également le privilège de recevoir euh, cet après-midi Mamadou Yayaba. Il est le coordonnateur des jeunes du Beno Bokoyakar dans le département de Guédiouaï. Monsieur Ba, bonjour et bienvenue dans ce plateau. Bonjour Monsieur Diop et bonjour mon collaborateur Mamadou. Alors, euh, et je souhaite que ce débat puisse servir aux téléspectateurs, téléspectateurs aux auditeurs de de votre euh, très précieuse audience euh, euh Dakar votre aussi en ligne. Mhm. Alors, euh, bonne émission, Babacar. Absolument, bonne émission à toutes et à tous alors. Alors, nous, nous allons démarrer par le transport. Nous allons rester avec vous. Vous êtes de Kedjouai, là où vous J'occupais d'ailleurs le poste de coordonnateur des jeunes de la coalition Benoît Bokoyakar. Il y a deux jours de cela, le président de la République Macky Sall était chez vous pour procéder au lancement du BRT. Mhm. Alors, en tant que natif et résident de Guédiouaï, quelle appréciation faites-vous de cet ouvrage qui est en gestation Alors, tout d'abord, euh, je vais exprimer quand même euh, ma satisfaction de voir le président quand même réaliser euh, un de ses euh, promesse de campagne. Mhm. Il avait promis, il l'a fait. Et Guédiawaï est très content d'accueillir cette cérémonie de haute facture euh, à la dimension d'ailleurs du projet qui est érigé là-bas, euh, qui va participer quand même qualitativement à soulager les populations. vous le savez, la banlieue Guédiawaï regorge beaucoup d'individus qui quittent tous les matins pour aller vaquer leurs préoccupations à Dakar ils sont pour la plupart confrontés à des problèmes de transport. Et que ces transports de masse sont aujourd'hui les seules alternatives euh, pour vraiment soulager quand même ces difficultés de ces populations. Et que nous, nous, en, nous en réussissons et que nous félicitons son excellence le président Macky Sall euh, d'avoir posé cet acte-là. Mais également, je crois que nous, en tant que politique, nous, nous, en approprions le projet, mais également les populations du département de Guédiawaye se sentent également concernées par ce projet qui est venu quand même à son heure et que c'est vraiment à son heure au moment où nous parlons de beaucoup d'accidents, de, difficultés, d'embouteillages à toute longueur de journée. C'est ce que nous vivons maintenant à Dakar et que vraiment vivement euh, euh, le BRD et que sous peu Inch'Allah le, travail va commencer et que d'ici deux ans euh, ça va être mis en, en, route mhm. et que c'est à l'image également des pays développés. Le président dès son accession au pouvoir avait misé sur euh, l'émergence. Mhm. Et que cela également participe à concrétiser quand même cette vision claire du mhm. chef de l'État. Tout à fait. Alors, euh, Monsieur M. vous, vous, êtes de Dakar également. Euh, les difficultés liées au transport au niveau des populations mhm. sont plus qu'une réalité aujourd'hui. Alors, pensez-vous que ce BRT demeure une urgence ici au Sénégal euh, merci Badara pour votre question. Moi, je n'irai pas emboîter le même pas que mon co-débatteur qui juge l'investissement du président Macky Sall comme une priorité. Il faut noter une chose assez fréquente euh, dans les logiques d'investissement du président Macky Sall. Mhm. C'est-à-dire, la plupart du temps, c'est des choix douteux, c'est des choix hasardeux dans l'investissement. Nous avons le TRR, mhm. qui est un train express régional, qui en principe devrait desservir la haute banlieue. Nous avons l'autoroute à péage, qui en principe facilite l'accès à la banlieue pour les riverains qui travaillent ou bien qui, viennent sur Dakar et qui veulent regagner la haute banlieue. Moi, la question que je me pose est celle de savoir à quoi servirait de mettre 300 milliards de plus dans un truc qui, au vrai sens du mot, peut être remplacé par d'autres choses. Vous l'avez même dit. Et même si le BRT est aujourd'hui installé, quel serait l'impact que cela aura sur les transporteurs Nous avons les bus Tata qui desservent Dakar chaque jour. Si jamais le BRT est installé, il y aura beaucoup de lignes Tata qui seront obligées de revoir leur fonctionnement pour pouvoir exister. Et même s'ils revoient leur fonctionnement, est-ce que cela pourront exister Néanmoins, il a encore sorti 300 milliards de nos deniers publics pour pouvoir lancer un truc qui, vraiment au vrai sens du mot, n'a pas son sens. Il a déjà mis 1000 milliards sur le terre, alors que la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, la rénovation complète n'aurait demandé que 345 milliards. et cette ligne Dakar-Bamako, ce qu'elle peut occasionner en termes d'externalité, en termes de groupuscules de gens qui sont au-delà, euh, qui sont sur la ligne et qui pourraient profiter de la rénovation de cette ligne pour survivre, on ne peut pas le calculer. Donc moi, nous nous pensons que en termes d'investissement productif, ça aurait été plus correct, ça aurait été plus normal de prendre 345 milliards, de les mettre sur la ligne ferroviaire Dakar-Bamako, que de prendre 300 euh, milliards plus 1000 milliards pour le terre et les mettre sur 18 et 40 kilomètres vous-même, vous savez que cela n'est absolument pas productif. Donc, c'est ce à quoi nous croyons et c'est ce que nous défendrons tout au long de ce débat. Tout à fait. Alors, euh, monsieur M. Bass, c'est vrai qu'il a évoqué tout à l'heure un aspect fondamental en parlant du terre. Alors, nombreuses nombreux sont des Sénégalais qui se questionnent aujourd'hui sur le démarrage quand même du, du, terre. Quand est-ce que sera, sera-t-il sur, sur, sur les rails On n'en finit pas de parler du terre. Peut-être aujourd'hui, c'est un autre projet qui est venu pour un peu euh, soulager les populations sur le plan du transport, notamment aux difficultés liées à, ces frais de transport et au déplacement des usagers. Aujourd'hui, euh, il a évoqué également euh, le train, le train Dakar-Bamako pour un peu desservir les différentes villes. Sur l'aspect économique aujourd'hui, pensez-vous que le BRT peut profiter euh, réellement aux jeunes de la banlieue, notamment à ces jeunes qui s'activent dans les bus Tata et qui en font leur gagne-pain alors, je crois que peut-être euh, mon cher ami n'a pas cerné quand même euh, l'impact de ce projet euh, BRT mhm. qui, dans sa mise en œuvre, va permettre à 1500 500 jeunes de trouver du, travail. Mais également, vous savez, la Banque mondiale a fait des études et que nous perdons plus de 9, 900 milliards par an pour les embouteillages et, les, dans le problème de, de transport. Maintenant, c'est une option. Maintenant, perdre 900 milliards, investir 300 milliards pour résoudre le problème, je crois que c'est là une vision. Et quand vous parlez de lignes, d'autres lignes, vous faites des propositions. Je crois que le président Macky Sall a fait son choix et que c'est lui qui a été élu pour euh, soulager le, problème des populations. C'est connu, à Dakar, nous vivons des situations extraordinaires. Alors, euh, c'est une option. Hein. Bon, quand on gouverne, euh, il faut, il faut, il faut. voilà, on est obligé de, de, faire une option. L'autre aspect, il a misé sur le transport multimodal. Il a parlé de Carapit et autres. Mhm. Je crois que nous ne devons pas euh, refuser. Vous n'avez pas entendu parler de Carapit Il a parlé des tata, et, autres. voilà, voilà. De toute façon, mhm. moi je dis que c'est là également, c'est une option. Il faut qu'on opte pour le développement mhm. ou bien qu'on opte de rester sur place. Mhm. Si on préfère rester sur les Tata et autres, mhm. voilà, et, perdre des milliards chaque année et qu'il y ait des, des, des, des, embouteillages à longueur de journée. Et, avec tout ce qu'il y a comme insécurité. <laughs> insécurité, d'accidents et autres. Maintenant, <laughs> vous savez, quand vous, vous, allez dans les pays développés ou autres, ça, ce que nous parlons aujourd'hui, c'est l'antiquité pour eux. Et que si nous devons, nous devons, nous devons euh, marcher sur euh, les rampes de, l'émergence, il faudra que nous mettons euh, la main à la poche, mais également il faudra de, de ces projets-là, de grands projets qui puissent quand même tirer le Sénégal euh, du, fond, du, bas fond mhm. pour le mettre quand même dans les pays émergents. Et que là également, je l'ai dit, il, a, il, a, il a mis en place d'abord le, le, terre qui j'ai tout à l'heure, juste avant d'entrer dans votre studio, j'ai écouté le DG qui a, parlé, qui a donné quelques jours sous peu pour, que, pour le démarrage euh, euh, des activités du, du, terre. Mhm. Et maintenant, euh, il vient encore. vous avez vu tout récemment, ou, même des, mois avant, pour l'aviation, mhm. il y a Air Sénégal qui, depuis quelques années, était devenu utopie pour nous, Sénégalais, qui aujourd'hui est devenue une réalité sous Macky mhm. Alors, je crois qu'il est en train de véritablement de régler les problèmes d'une manière d'une manière structurelle au lieu de les régler d'une manière conjoncturelle. Et ce que faisaient les autres, mhm. on réglait, on faisait du, du comme on le dit en, en, en, Wolof, mais maintenant lui il a opté pour régler définitivement le problème de ces populations et que euh, je vous le dis, c'est sur le plan sur le plan environnemental, le, le, le, BRT, mhm. euh, sur le plan économique, voilà, sur le plan de l'emploi des jeunes, tout ça c'est des, des, des solutions que le président apporte euh, vraiment au bénéfice des populations. Je crois que euh, tout citoyen aujourd'hui devrait saluer saluer cette initiative, mais également ces projets qui, ont, qui, commencent à voir le jour au Sénégal et qui, qui, étaient pour la plupart des Sénégalais un rêve. C'était un rêve pour nous. Mm-hmm. On, le voyait que quand on sortait du Sénégal, des terres, des, des, des tramways et autres. Aujourd'hui, on devrait applaudir je crois que moi, euh, si, on est en, si on fait de la politique, même si on est dans l'opposition, si celui-là qui aujourd'hui au destiné euh, euh, des Sénégalais fait de bonnes choses, il faut il faut l'applaudir quand même et l'encourager. Parce que, voilà, mhm. parce que c'est lui, lui, le président de la République, c'est pas lui qui va emprunter le, le, BRT. Ce mhm. C'est pas des, gens nantis qui vont, mais c'est pour les, pour les plus démunis qui, qui, que, que ce projet-là est dessiné. Mhm. Je crois que pour respecter quand même ces populations, euh, pour quand même euh, respecter ces populations qui ont vu quand même quelqu'un qui a, qui a un peu pensé à leurs difficultés. Je crois que ce serait quand même euh, bien d'applaudir quand même cette initiative et vraiment de, de prier pour que ça soit une réussite et que si c'est cela serait une réussite, ce serait au bénéfice des populations et des Sénégalais que nous sommes. Absolument. Alors, il vient de parler de, l'émergence, un pays qui est en plein chantier des infrastructures routières, ferroviaires, comme il vient de le dire, le Sénégal qui gagne beaucoup de points en doing business avec les récents euh, vraiment résultats qui sont sortis. Croyez-vous que vraiment que le pays est sur les rampes de l'émergence aujourd'hui avec tout ce qui se fait avec le président de la République Macky Sall C'est pas une chose à laquelle je crois. Avant de venir à votre question, permettez-moi de revenir sur certains points. Mhm. Il a dit que qu'en termes d'investissement, que le président Macky Sall était en train de faire des choses innovantes là-dessus. Mais il ne s'agit pas de faire des choses innovantes. Il s'agit de faire des choses euh, de, manière très efficace. Je m'explique. Au lieu de mettre un BRT sur place, mhm. vous, vous n'êtes sûrement pas sensible euh, aux détresses des nombreux pères de famille qui utilisent les Tata comme déjà entreprise, ensuite qui emploient des gens qui vivent de ces rentes. Mais moi, je, suis très sensible à leur cause. Je m'explique toujours. Si vous aviez un échangeur au niveau de Cambérène, vous aurez aidé à desservir la banlieue. Mais c'est parce qu'il y a des pressions au niveau de l'autoroute à péage qu'il n'y a pas aujourd'hui au niveau de Cambérène un échangeur. Ça, c'est un. Deux, si vous aviez accéléré eh, les travaux sur le prolongement de la VDN, cela aussi aurait aidé à rendre plus fluide la circulation au niveau de Dakar. voilà deux points sur lesquels rien n'a été fait. Vous préférez prendre 300 milliards, les mettre dans un BRT, alors qu'il faut, il faille même, je dirais, signifier le fait que ce pays est un pays à maigres ressources. Par exemple, vous n'en avez sûrement pas eu vent, mais moi j'en ai eu vent, puisqu'il m'arrive de feuilleter la loi, de finances rectificative. Le Sénégal est à 2200 milliards de recettes fiscales tous les ans. Mm-hmm. Après ça, il nous arrive qu'on ait des recettes non fiscales qui avoisinent 400 à 500 milliards. Maintenant, la structure économique de ce pays est faite de telle sorte que nous avons un gap à aller chercher ailleurs. Un gap que l'on ne cherchera pas peut-être pas intégralement dans la réduction des embouteillages. Comme vous dites, la Banque mondiale dit que si jamais euh, les embouteillages cessaient, on gagnerait peut-être 900 milliards de plus sur le PIB, pas sur les recettes de ce pays, sur, les, euh, sur, le PIB. L'impact sur les recettes de ce pays restera encore très minime. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est la restructuration économique de ce pays. Nous avons un pays où le plus gros du PIB est fournis par le secteur informel, 52% mhm. du PIB. Mais malencontreusement, pour changer la structure économique de ce pays, il aurait fallu que ce secteur soit, entre guillemets, formalisé, qu'on étende la pression fiscale. Mhm. Et je vais peut-être paraphraser en euh, un opposant de la place avec qui je ne suis même pas dans, sur la même obédience politique. Mais lui, dans son livre, il a raison d'avoir eu à dire une chose, que si l'on étende, que si, ou si l'on accroisse la pression fiscale d'un pour cent, ça serait 600 milliards de plus en recettes pour l'État. 600 mm-hmm. milliards de plus, plus nos 2200 milliards, ça ferait 2800 milliards. Ça avoisinerait 3000 euh, milliards, 1% simplement. Donc imaginez ce que cela aurait été si Macky Sall s'était attelé dans son pilier 1 du plan Sénégal émergent à restructurer carrément l'économie. Il avait fait appel à ça. Il avait dit qu'elle allait changer la structure économique de ce pays, mais il ne l'a toujours pas fait. L'économie est toujours dirigée bah, la croissance est toujours menée par un secteur tertiaire qui, et qui tire le gros de la production sénégalaise. Mais, mais, tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est des propositions qui auraient pu peut-être servir au président de la République, mais malheureusement, vous, vous, n'en faites pas. Bon, nous faisons énormément de propositions. C'est du patriotisme, patriotisme que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Exactement, hein? et, exactement. Et je ne suis pas nihiliste, mhm. pour dire vrai je reconnais sur ces dires une chose qui me mhm. paraît être bien, le montage financier de Sénégal Airlines. Mhm. Je l'ai dit hier avec des amis avec qui j'étais, Je mhm. j'ai dit le Air Terang de Karim Wad, c'était vraiment pas sérieux. Parce que pour une compagnie d'aviation nationale, collecter juste 7 milliards pour son lancement, sincèrement, c'était une grosse farce. Mais je dis que pour cette compagnie, nous osons espérer que ça ira loin. Car hormis le fait qu'il y ait la volonté, il y a un montage financier correct, au vrai sens du mot. Mhm. Nous avons vu des A330, A320 Neo qui, en matière d'aviation civile aujourd'hui, représentent ce qui représente ce qu'il y a de plus performant à travers le monde. Nous avons vu des ATR qui ont été acquis. Donc, cela est une chose que nous reconnaissons comme étant bonne. Mhm. Mais revenons-en à l'économie. Dans un sas large de l'économie de ce pays, Macky Sall ne fait que du tafyengel, comme il dit. C'est comme un aveugle qui tutupe sans savoir où est-ce qu'il va. Même s'il a dressé son plan Sénégal émergent qui s'attend jusqu'à 2035. Euh, je, vous l'ai dit, le hmm? premier pilier, le premier pilier du plan Sénégal émergent hmm? concerne la restructuration économique de l'économie, de l'économie et de la croissance. Hmm. Et sur ce point, je le répète, Rien n'a été fait. La croissance est toujours tirée par le secteur tertiaire. La structure économique de ce pays n'a pas du tout changé, mhm. du tout même. La pression fiscale n'a pas été encore n'a pas encore été étendue. Elle reste euh, très minime, très faible par rapport aux autres pays. Donc cela devrait être un chantier sur lequel il devrait s'appesantir pour qu'on puisse quand même avancer dans ce pays. Car il est temps. Tout à fait. Et rapidement, en 30 secondes, vous répondez sur ma question relative à l'émergence euh, par rapport aux chantiers sentiers qui, qui, qui, qui, qui euh, L'émergence ne se limite pas au fait de multiplier des chantiers. Je vais vous dire quelque chose de simple. Je vais m'expliquer. Euh, pour faire une petite historique, le terme a été sorti par certains experts financiers mhm. par, après l'avancée de certains pays comme le Brésil, la Russie, l'Inde et la Chine, qui présentaient des dynamismes économiques divers et variés. La Brésil s'était faite euh, géante en matière agriculture, l'Inde s'était faite euh, géante en matière télécom, la Chine était devenue un hub mondial, la Russie, n'en parlons pas. Mais sur quoi est-ce que le Sénégal, l'économie sénégalaise aujourd'hui s'appuie pour être un pays émergent Absolument rien, que dalle, que nenni. Mhm nous marchons. dans le taux de croissance de 7%, c'est quelque chose déjà. Euh, hein? Je l'ai dit, mhm. c'est pas simplement le taux de croissance qui fait qu'un pays est considéré comme étant un pays émergent ou mhm. pas. Et parlons même de ce taux de croissance économique. Vous savez, le PIB est défini de telle sorte qu'il y a toujours la consommation, mhm. les dépenses de l'État, l'investissement, mais aussi la balance commerciale. Si un État quelconque va emprunter de l'argent à, l'extérieur, vient injecter cet argent en termes de dépenses publiques, normal que cela se répercute sur euh, le PIB au niveau final. Mhm. N'est-ce pas maanaam supposons yow tay bu fekkee ne da nga jële ji xaalis da nga ko le da nga leb ji xaalis yokk sa dépense. Mhm. dépense bi day gën a neex mais est-ce que leb boobu noonu yokkute la pour yow. Mhm. xam nga du yokkute. Mhm. mais bu fekkoon ne yow xëy na tey sa salaire a yokk ba nga yokku sa dépense su kër on aurait pu concevoir c'est-à-dire que si c'était la consommation des Sénégalais. qui avait eu à connaître une hausse on aurait pu comprendre que le PIB soit un PIB qui vient des Sénégalais. Mhm. Aussi bien ce PIB a été porté par des secteurs où s'activent en majorité les Sénégalais, comme le secteur primaire mhm. ou le secteur secondaire. Là, on et le secteur secondaire encore. Mhm. Il n'y a, pas que des Sénégalais. Là, on aurait pu comprendre et concevoir le fait que ces sept points de croissance que nous avons sont une croissance que, l'on peut considérer comme inclusive. Tout à fait, tout à fait. Mais la croissance là que nous avons, qui, qui, est, qui, est produite par euh, les, des sociétés de télécom, par les banques, est une croissance que l'on va considérer comme extravertie. Mhm. Parce que ce que cela génère comme, euh, comme richesse se retrouvera transféré hors de nos frontières. Absolument. Alors, M. Ba, à l'entendre parler, c'est comme qui dirait que l'endettement ne développe pas un pays. Et si je, réponds directement à ta question, je te dirais que les pays les plus, développés aujourd'hui mhm. sont les pays les plus endettés, mhm. pour démarrer ma, mon, intervention. Mhm. Alors, euh, lui, je crois que euh, il a fait que dire le contraire de ce que le président Macky Sall est en train de faire. Il a parlé de réforme. Euh, si vous vous rappelez, dès l'entente de son mandat, vous, vous allez convenir avec moi qu'il avait fait son soir de bataille et qu'il en a réussi beaucoup de choses. Et là, il gère un État. c'est pas en un, mandat, en mandat que tout pourra se régler. Mhm. Alors, si aujourd'hui on parvient au Sénégal à maîtriser l'inflation, à faire en sorte qu'aujourd'hui, euh, euh comme vous l'avez dit, c'est vrai, vrai, que les, pays, les, plus prix ont, ont stagné. Vous, vous, vous ah oui, La maîtrise de hein l'inflation, ah, ah, ah, alors, je peux beaucoup dire. <laughs> Alors, alors, Alors, et que euh, on n'a pas oublié, on n'est pas euh, amnésique quand même. Euh, Qu'au lendemain des élections de 2012, on, nous avons trouvé un PIB de 1,7 et aujourd'hui qui est à 7, et d'ici sous en 2023, <clears throat> les, objectifs, c'est d'atteindre 9,1%. Euh, mhm. Alors, euh, je crois qu'il euh, il a dit, il a parlé des réformes quand même qui ont eu à donner, il a parlé de, de Air Sénégal quand même, il a quand même été sérieux quand même de reconnaître que ça a été un, bon management mhm. du côté de Air Sénégal mhm. et que c'est par ailleurs tous les autres projets de l'État du Sénégal. Si vous prenez, il parle de développement, tu as cité euh, tantôt le Brésil. Vous avez parlé d'agriculture. Au Aujourd'hui, au Sénégal, faites, euh, euh, une comparaison entre quand on venait d'arriver au pouvoir en 2012 à maintenant. Vous allez convenir avec moi qu'aujourd'hui, au départ, on parlait de 44 000. L'agriculture reste toujours vivrière dans ce pays. Il n'y a pas une politique agricole Vivant Et c'est positif. Quand vous dites que ça reste euh, euh, à consommation, je te dis que quand tu parles de, de commerciale, aujourd'hui, euh, nous, nous, sommes en train de maîtriser. ça, c'est la structure du PIB. Attendez, attendez. vous, avez parlé, vous, avez parlé, d'agriculture. Je faisais dans le détail vous avez parlé que les Sénégalais puissent comprendre. Attendez, vous attendez un Terminé, vous, avez parlé, vous avez parlé d'agriculture. Je vous mhm. dis, je vous mhm. cite, j'étais en train de vous citer. Mhm. Par exemple, aujourd'hui, euh, le Sénégal, aujourd'hui, si les producteurs de riz avaient arrêté de vendre du riz au Sénégal, le Sénégal pourrait s'en sortir avec le lit qui est, qui est aujourd'hui récolté ici au Sénégal. Dans la vallée mais Dans la vallée. ok Aujourd'hui, je crois que... Euh, c'est pour vous aider un peu, quoi, parce que vous cherchez votre mot. Non, non, je ne cherche pas parce que c'est il n'y a rien à fouiller. C'est clair comme l'eau de rose. alors, le Sénégal a on fait... On est assez autosuffisant hein, que ça Henri. alors, alors je vous dis, on était à, à, à, à 400 000 tonnes quand on arrivait. Aujourd'hui, on est à 1000 et quelques tonnes. Donc, euh, à quelques centimes près, d'atteindre l'autosuffisance en, riz. Et qu'aujourd'hui, on ne peut pas parler. On peut pas parler. Mais est-ce que la qualité s'y est et quelques tonnes, je ne suis pas en fait sur, sur la productivité mhm. euh, de, l'activité du riz. Vous dites non, attendez, attendez, attendez. Euh, attendez les chiffres que vous avez avancés ne sont pas trop ah, corrects. Ah, attendez, attendez. Je vous aide dessus ah, Attendez. Laissez-le laissez, terminer d'abord. Attendez, attendez. Mhm. je te dis, mhm. on est à 1 million de tonnes. D'accord, là vous, vous êtes rectifié peut-être c'était c'était un En tout cas, ah, c'est ça les, chiffres. Mhm. Aujourd'hui, euh, je vous dis qu'on frôle l'autosuffisance en riz. Mhm. C'était pas évident. Mhm. Et c'était en 2017. C'était en 2017. C'était une c'était une vision claire du président de la République. Même si on ne peut pas tout régler en un laps de temps vous conviendrez avec moi que le Sénégal a fait beaucoup de... Je pas, vous, vous consommez le riz de la vallée Mais bien sûr. Idem euh, je pense pas qu'il consomment le riz de la vallée. Et vous, vous, vous, le consommez Déjà que je le vois pas fréquemment sur le marché, ça c'est une. Deux, et quand on le voit, la cuisson reste encore difficile. il ne s'agit pas de produire du En tout cas, nous qui le consommons, <laughs> savons là où le trouver. Après, lui, il ne le consomme pas, c'est pourquoi il ne sait pas là où le trouver. Alors, je crois que, je crois que euh, euh, mon ami Mohamedou, mhm. je crois qu'il faut quand même accepter que l'économie, vous l'avez dit tantôt, que le classement d'une business de, cette année, de cette année euh, a fait, un, nous avons remarqué, mhm. un bon, un, bon du, du, Sénégal. Mhm. Et que et, cela, c'est valable. Parce que l'économie sénégalaise, quand même, le président est en train de maîtriser, euh, de maîtriser quand même, euh, de, mettre en œuvre mhm. sa, son, programme. Et que ces projets, tous ces projets qu'il avait mis, ont aujourd'hui donner les résultats escomptés. Et je pourrais en dire autant. Mhm. Au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau de, du, secteur, du, secteur secondaire, comme vous mhm. l'avez dit. Aujourd'hui, euh, sur, le, sur, le plan Sénégal, sur le plan Sénégal phase 2, mhm. vous, avez, vous, avez, vous, avez, vous savez que le président a mis comme priorité euh, qui a reçu un grand succès au club de Paris. Au club avec de Paris. Plus, plus d'argent que, que, que, que, Non, parce que le Sénégal a toujours eu. L'autre aspect, l'autre aspect, l'autre aspect. Il dit que, il dit que peut-être si tu, tu, tu, tu, tu, tu, es, tu es en famille, tu, tu, tu, tu, tu, tu augmentes euh, ta dépense, c'est normal. C'était pour. Rendre... Non, non, non, non, non je veux revenir sur ça. C'était pour rendre l'explication. C'est parce que tout simplement, effectivement, c'est parce que tout simplement, on est crédible. C'est parce que tout simplement, le Sénégal est crédible. Mhm. Euh, envers les, les, les, les institutions financières. Mhm. Et aujourd'hui, pour s'endetter, il faut être crédible. Mhm. C'est parce qu'on est crédible. Vous êtes crédible au niveau international, mais au niveau national, vous n'êtes pas crédible. Mais comment Et souvent, on dit que le Sénégal est, la dette intérieure est, plus mauvais payeur. Hein, hein, hein. <laughs> Excusez-moi, la dette intérieure dépasse de loin les 1000 milliards. Mhm. C'est-à-dire nos entrepreneurs locaux ne reçoivent pas leur dû. Mais par contre, vous ne vous gênez pas chaque année de payer un service de la dette qui dépasse les 700 milliards à l'extérieur est-ce à dire que vous les respectez plus que vous ne respectez nos entrepreneurs hmm. Ça, c'est une point d'interrogation que je laisse à l'appréciation. Mais, mais, mais est-ce que, les nationaux y mettent aussi ce sérieux-là Parce que je vous dis, je vous raconte une anecdote. Hein. Hmm. J'ai eu à effectuer une mission hmm. euh, avec Marie Taounian, alors ministre en charge de l'enseignement supérieur. C'était à Zienchor, pour avoir un peu l'avancement des travaux de l'extension de l'université à Sec, si je ne me trompe qui était largement confié à des nations. Mais à mm-hmm. sa grande surprise, mm-hmm. on était à trois, voire quelques euh, deux mois et demi de l'ouverture des classes. Mais mm-hmm aucun chantier n'avait avancé. Mhm. Et que le ministre avait pris le bâton pour dire que je veux voir mes enfants au mois de décembre mhm. parce que les, apprentissages, euh, les enseignements et apprentissages mhm. devaient commencer au mois de décembre. Il y a ce manque de série également des nationaux qui ne parviennent pas à respecter les échéanciers, les, les, les dates. Aujourd'hui, il y a quand même cette, ce, comment dirais-je, euh, le fait de, de ne pas se voiler la face, de se mhm. regarder à travers le miroir et de se dire mhm, mhm. une certaine vérité également. je ne saurais trop y apporter euh, des vérités parce que je ne sais pas ce euh, qu'ils vivent ces nationaux. Je sais juste que depuis un certain temps, ils veulent avoir accès à la commande publique et c'est très bien parce qu'on est dans un pays où le secteur privé national n'est pas très appuyé. On est dans un pays où le secteur privé national n'a pas de champion. Et ce pays, c'est un pays où il continuera de ne pas avoir de champions, de grands champions nationaux, si l'État continue à refuser de payer ses nationaux. Maintenant, euh, le sérieux que certains ne font pas dans l'exécution de leurs tâches mhm. ne peut pas être desservie à tout un chacun. Il y a des nationaux qui sont très sérieux, mhm. qui sont prompts de leurs responsabilités et qui font et qui respectent très largement le cahier de charge qui leur est fixé à chaque fois. Nous avons vu des nationaux bâtir d'autres pays que le nôtre. Mhm. Vous avez l'exemple du défunt Alun Saou qui a beaucoup fait en Guinée mhm, équatoriale. Mhm, mhm. Nous avons l'exemple de Atepa qui fait un peu partout en Afrique. Nous, nous avons l'exemple, l'exemple, l'exemple. Donc nous avons l'exemple de tant d'autres nationaux qui font des choses extraordinaires hors de nos frontières et qui sont très bien payés. Mais pourquoi à chaque fois qu'ils viennent au Sénégal, depuis que Macky Sall est au pouvoir, il fait tout pour que nos nationaux soient dans le besoin. Il les maintient dans une certaine fin pour pouvoir peut-être les utiliser après. Il y a aussi peut-être d'autres facteurs qui interviennent dans l'octroiement des marchés, d'où le fait que ceux-là qui galèrent pour avoir leur marché, ils perdent tout respect qu'ils devaient à ceux-là qui leur octroient le marché. Vous êtes au Sénégal, vous avez certainement eu vent des choses que certains font pour avoir accès au marché que l'on dit libre, mais qui à chaque fois comporte des anguilles sous roche. Alors, moi, je ne suis pas d'accord avec mon ami Mohamedou quand il parle. Euh, tu as cité, c'est vous qui avez cité Pierre Boujabi Ateba. Qui est quelqu'un de respectable quand même au Sénégal. Mhm. de très respectable. Oui. Euh, alors, euh, vous allez, vous n'allez pas dire le contraire quand je te dis que tout récemment, mhm. pour la réalisation mhm. d'un grand projet de la CDC, c'est Pierre Kouyabi Atepa qui mhm. a été choisi mhm. pour le faire. Par mhm. l'État du Sénégal. pas dit qu'ils n'étaient pas choisis. Alors non, vous, avez dit, vous avez dit. pas le projet n'a pas encore commencé. Vous dites de payer. attendez, attendez. La date, quand vous parlez, moi je vous écoute religieusement. Il faut avoir l'amabilité quand même de m'écouter parler. Moi je suis sérieux quand même quand je fais du débat. Je crois que les Sénégalais qui nous écoutent quand même méritent d'être respectés. sortir de Et je les respecte parfaitement. Et ça, ce que vous faites là, c'est pas, pas ce que je même si je souffre quand même d'entendre ce que vous pas le fait de me, de me faire dire des choses que je n'ai pas dites. mais aussi, vous aurez largement le également Vous aurez à constater que je n'ai jamais émissé dans votre temps de parole. Mhm. Alors, il faudra alors m'écrire et m'exprimer. Alors, alors, et, pour l'autre aspect, il a également cité comme exemple le cas d'Aliou Et c'est lui également qui avait parlé du pont Sénégal 92 qui a été rénové par Aliou par la société d'Aliou mm. Alors, je crois que euh, ceux-là qui mérite de gagner des marchés, qui ont des sociétés sérieuses mm-hmm. et qui font le travail normalement, sont en train de gagner des marchés et sont en train d'être payés. Nous avons l'exemple de Barata. Mais il y en a en pagaille, il y en a en Alors, maintenant, il ne faut pas prendre un exemple ou deux exemples pour généraliser. Alors, je crois que sur cet aspect-là, le président Macky Sall, c'est lui-même qui a dit qu'il allait tout faire pour, que, euh, euh, pour aider ces, ces, entrepreneurs sénégalais. Mhm. Et qu'il a mis en place beaucoup de structures qui, va, qui, qui vont dans ce sens. Euh, tantôt, il avait, parlé, il avait parlé de difficultés ou autres. Moi, je dis, si le président va jusqu'à créer, euh, créer la, délégation à l'emploi rapide, mm. c'est parce que tout simplement, le Sénégal, Sénégal était tellement liquide qu'il avait gagné de l'argent pour le mettre là-bas, pour financer des jeunes entrepreneurs. Mm-hmm. Je crois que ça également, c'est quelque chose qu'on peut palper, qu'on peut toucher, euh, qui, est, visible, comme qui dit, qui est palpable. Mm-hmm. Alors, je crois que sur cet aspect-là, on n'a pas de... On on n'a pas de euh, beaucoup de difficultés et qu'on est à l'aise quand même. Et nous qui sommes avec euh, son excellence le président Macky Sall, nous savons euh, où est-ce que euh, est-ce que a pris le, pays, mhm. où est-ce qu'on en est et où est-ce que nous voulons aller. Mhm. Et que je crois qu'avec tout ce qu'il a fait, lui également, c'est tout. Il, met euh, tantôt à citer les projets du président de la République. Il a parlé de la VDN, le, prolongement. Mhm. C'est sous Macky Sall qu'on a vu ce prolongement-là. Et que, qu'il doit aller jusqu'à Saint-Louis. Et que si c'est arrêté, ce n'est pas, pas un problème de, parce qu'il parce qu'il y a dysfonctionnement et autres. Non, c'est un problème lié à autre chose. Donc aujourd'hui, alors non, en tout cas, ce qui, ce qui, <laughs> devait, être fait est fait et que vous avez même vous, nous qui sommes de, de Guédiouaï, mhm. à chaque euh, soirée nous empruntons cette VDN pour rentrer tranquillement chez nous mhm. et que vraiment si nous, nous le saluons. C'est lui également qui l'a cité. Donc pour vous dire que même si euh, il l'a dit, si, si euh, on, on, ne voit pas, si on ne voit pas, si on est, on, est atteint par la cécité, quand mhm. même, on ne peut pas ne pas voir les projets du président de la République. C'est pourquoi vous les citez. Alors, je crois que à, ce niveau, mon cher ami, le Sénégal est sur la bonne voie. Le Sénégal est aujourd'hui cité parmi les pays où, d'abord, nous avons gagné quand même euh, euh, des choses qu'il ne faut pas négliger. Sous Macky Sall, la démocratie a été euh, renforcée. Mhm. Sous Macky Sall, le pays est géré d'une manière normale. Mhm. Alors que, si on se rappelle, des années, des années précédentes, avant, avant son mandat, euh, la justice, c'était dicté par une personne. Aujourd'hui, je crois que vous pouvez convenir avec moi que le Sénégal, aujourd'hui, est cité en exemple partout ailleurs. C'est pourquoi, aujourd'hui, le président est nominé partout dans le monde. C'est ces efforts qu'il est en train de faire sur le plan humain, sur le plan de, du développement, sur le plan de l'économie. Le Sénégal est en train de prendre son, son envol. Et que je crois que vous, jeunes, nous, nous qui sommes aujourd'hui des jeunes, nous devons s'approprier de ces programmes et de ces projets du président de la République, qui est fait pour nous. Quand il parle d'horizon 2035, ce n'est pas pour lui, mhm. c'est pour nous jeunes. Nous devons aujourd'hui euh, euh, euh, approprier ces projets-là et travailler, travailler à consolider ce qu'il est en train de, de, de, faire. Mhm. Donc je crois que c'est euh, mon cher ami, c'est sur cela que je vous appelle, à, voir ce qui est visible, mhm. et mais également, euh, je respecte également des fois des positions qui ne sont pas favorables euh, à mon camp, c'est normal, c'est de la politique, Tout mais également ce qui est bon. Tout à fait. Alors, Monsieur M. quand Monsieur, monsieur, monsieur parle de, de, de, justice, vraiment des grands bons en avant, de, vraiment euh, de, de, de l'attitude du président de la République Macky que tout le monde salue, là, il effleure un peu le bilan immatériel qu'il peint en blanc. Aujourd'hui, peut-être que tout est rose, il y a une séparation des pouvoirs, le président de la République ne s'immisce pas euh, dans les affaires institutionnelles. Avant d'en venir à certains piliers de la démocratie, mhm. permettez-moi de lever le voir sur certaines choses. Mhm. Il a eu à dire que je dis que euh, que les entrepreneurs locaux n'avaient pas accès à la commande publique. Mhm. La bande est pensante. Je pense que ceux qui peuvent rembobiner sauront que je n'ai jamais dit telle chose. J'ai mhm. dit qu'ils avaient du mal à avoir accès à la commande publique. Ça, c'est une. Deux, j'ai ensuite dit que l'État ne les payait pas. Et ça, je pense que vous qui êtes à la commande de cette émission, vous avez attesté de la chose. L'État doit plus de 1000 milliards de francs CFA aux entrepreneurs locaux. Ça, je l'ai dit et vous pouvez vérifier. Ensuite, euh, pour la DER, la délégation d'entrepreneuriat rapide, la DER me fait même rire, je dirais, parce que c'est... ça c'est pas une politique, comme je l'ai dit, qui a une vision très innovatrice de la chose. Depuis tout à l'heure, je vous dis que Macky Sall manque de vision, qu'il n'y a pas assez de probité dans sa chose et qu'il manque énormément d'efficacité. Nous sommes dans par exemple, euh, si on prend l'exemple de notre programme, nous avions pensé, nous avions repensé le mode de financement des jeunes. Parce qu'il y avait l'ANPEJ euh, et tout le travail qui mhm. part avec. Il y a eu énormément euh, d'agences qui ont mhm. été créées pour aider à créer l'emploi chez les jeunes, mhm. agences qui n'ont pas pleinement réussi leur mission. Donc chez nous, il s'agit de redéfinir la chose à travers ce qu'on appelle dans le monde des finances le private equity, c'est-à-dire le capital investment il s'agirait euh, d'appuyer les jeunes de façon très éparse sur le financement, mais ensuite d'opérer sur la fiscalité pour les ôter toute entrave qui pourrait, constituer, qui pourrait se constituer jeune de leur pleine expansion. Je m'explique. L'impôt sur le bénéfice est de 30%. Je ne dis pas que ce n'est pas bien, parce qu'il faut payer l'impôt. Mais je dis, à une jeune entreprise qui vient à peine de débuter, qui fait peut-être 100 millions l'année. Sur 100 millions, il a 30 millions de bénéfices ou 40 millions de bénéfices. Si vous lui dites sur 30 millions de bénéfices que je vous reprends 30%, c'est-à-dire peut-être 9 euh, euh, millions, vous lui empêchez d'étendre son activité, peut-être de recruter un autre employé ou bien d'augmenter sa, capacité de production. Tout au contraire, Macky Sall ne mettant pas sur place des logiques fiscales pouvant accompagner les, jeunes entrepreneurs, mhm. lui, il s'en ira. Il s'en ira euh, procéder à des... Comment dire à des, euh, commencer procéder au fait de ne point réclamer la fiscalité que certaines sociétés lui doivent. Il faut être clair. C'est-à-dire, la majeure partie des sociétés aujourd'hui qui sont dans le secteur secondaire les mines et consorts, s'ils trouvent refuge aux îles Caïmans, ils sont exonérés totalement de toute redevance fiscale. Mieux, il a même fait une chose, c'est-à-dire sur l'ancien code minier, l'État avait droit à 3% d'excédent brut sur ce que produisait la société. Mhm. Macky Sall, quand il est venu, il a abrogé cela. Il a fait de sorte que les 3% qui devait revenir à l'État comme excédent brut d'exploitation puisse être dissoute. Ensuite, l'impôt sur le bénéfice que ces sociétés payent, il l'a carrément exonéré. Donc, vous exonérez d'impôts des sociétés qui font 500 millions, 400 millions par an, et vous asphyxiez d'impôts des jeunes entrepreneurs qui rêvent d'un lendemain meilleur. C'est ça que j'appelle un manque de vision extraordinaire de sa part. Maintenant, venons-en aux acquis démocratiques, comme il l'a dit. <laughs> Ça me fait rire même d'entendre acquis démocratiques parlant de Macky Sall. Nous rappelons que Macky Sall, c'est le président qui, par manque d'élégance démocratique, s'est vu contraint d'emprisonner un bon nombre de ses euh, potentiels adversaires de la façon la plus ignoble qui soit. Tout le monde sait que la CRI est une cour qui devrait être qui devait être abrogé. Wad l'a trouvé ici, il ne l'a pas utilisé. Tout le monde sait que qu'en matière de droit, Le coutume est considérée comme étant une règle de droit. Mm-hmm. Et que Khalifa Sall, par rapport à la caisse d'avance, a trouvé des faits que certains euh, utilisaient ou bien usitaient depuis belle lurette. Il n'a fait que reprendre ce que ses prédécesseurs, ses prédécesseurs ont fait. Il s'est vu le seul que Macky Sall croyant certainement que Khalifa Sall pouvait lui porter ombre durant les élections 2019, s'est vu dans l'obligation de l'emprisonner. Macky Sall, depuis qu'il est là, il impose des choses. Et ça, c'est pas élégant démocratiquement parlant. À chaque fois qu'il veut des choses, il choisit la voie la plus réfractaire, je dirais même, pour nous l'imposer. Au vu et au su de tout le monde. Mm-hmm. Que que les Sénégalais veulent que ça passe ou qu'ils ne veulent pas que ça passe, mhm. excusez-moi de le dire, mais ce n'est pas ses affaires. Lui, ce qui l'intéresse, c'est qu'il impose ses choix, qu'il impose ce qu'il veut. Après, qu'importe que le pays s'embrase ou pas, il n'en a que faire. Absolument. Alors, Monsieur M. Bois, peut-être en quelques minutes, avant qu'on aborde le dernier point de cette émission, si vous, voulez rebondir sur ce Oui, je veux rebondir tout simplement sur, euh, sur deux points. Mhm. Il a parlé euh, euh, de il a parlé de difficultés ou bien des fuites qui, sur le côté minier et autres. Mhm. Moi, je voulais vous dire qu'aujourd'hui, euh, c'est une politique. Vous dites que le président Macky Sall a une vision claire des choses. Euh, il est là pour faire avancer les choses. Et pour faire avancer les choses, il faut quand même euh, d'abord faire tout pour attirer les investisseurs. Il a stimulé euh, sur, le, sur, sur, le côté minier et autres, il a fait en sorte que les investisseurs sont rués vers le Sénégal. Et ce qui nous a valu la découverte des gaz, du pétrole et autres. Mhm. Aujourd'hui, ce que nous gagnons est mille fois plus important de, de, de, ce que tu dis comme des manques à gagner. Qu'est-ce que le pétrole nous rapporte, euh, attendez, nous rapporte chaque année Attendez, attendez. attendez attendez. dans la phase d'exploration, non d'exploitation, attendez, si je me trompe. Euh, attendez, et, Badara, ah, euh, je, crois bien que c'est vous qui posez les <laughs> questions, mais c'est pas lui. c'est vous qui nous avez invités, mais c'est pas lui. Alors, euh, je crois que c'est ce que nous avons valu, ce que nous avons aujourd'hui, qu'aujourd'hui le Sénégal est un pays exportateur, sous peu, un pays exportateur de pétrole, de gaz et autres. Ça, c'est le baraka, c'est du baraka, mais également c'est une vision claire qui a permis à cela de venir investir et de trouver euh, du pétrole et du gaz. de <laughs> Alors, et, et, et, lui-même, il a parlé de CRI. Il a dit que ça devrait être abrogé. Le président Macky Sall l'a trouvé ici. Donc, qu'est-ce que le président Macky Sall a fait de mal Il l'a trouvé, il l'a exécuté. Il est en phase. Vous avez parlé, vous avez parlé de Khalifa Sall. peut là, c'est d'avoir dépoussiéré un peu un Ah, mais qu'importe, ça existe dans, dans, dans, dans, les textes, ça existe dans, dans, dans les lois. Mhm. C'est régi par les lois du Sénégal. Mhm il, ne fait pas, il ne, il, ne fait pas. alors, il, n'a rien créé, mhm. mais il ne fait pas quelque chose qui est interdit par la loi. Mhm. Mhm. Alors, il parle de Khalifa, il dit que c'était des habitudes. Alors, mon cher, des habitudes. On parle des lois, tu parles des habitudes. La loi dit que tu n'as pas le droit de faire ça. Khalifa l'a fait, même si ça se faisait avant. Mais ce qui est clair, oui, beaucoup mati, defumako, beaucoup mon mot hamga, beaucoup les us sont considérés comme des règles de droit. donc comment. les us coutumes écoutez les textes. Euh, on te te dit pas que parce que l'autre le faisait. j'enrichis l'autre le faisait attendez attendez parce que les textes sont clairs. Mm-hmm. lui s'il est emprisonné c'est tout simplement. Mm-hmm. parce que il a fait quelque chose qui va à l'encontre des lois mm-hmm. des textes et lois du Sénégal. aujourd'hui s'il est libre. c'est parce que le président a jugé nécessaire. Mhm. Parce que également la Constitution le lui permet de le gracier. Mhm. La justice a fait son job. Mhm. Lui, en tant que, en tant que, en tant que démocrate, il a jugé. Lui-même, c'est lui qui a jugé que Khalifa, peut-être même s'il a, fait, a fait quelque chose qui est, qui, qui, qui est condamné par la loi, sa place n'est pas la prison. Il l'a gracié. Ça, c'est la grandeur de la personne il n'était pas obligé de le faire. Mais pour te dire, c'est pas parce que les autres le faisaient, les autres mères le faisaient et que c'est normal. Non. il le faisaient, c'était pas normal, mais parce que ceux-là qui étaient là n'avaient pas fouillé ou bien, ou bien avaient, des complices ou bien je ne sais pas quoi. Mhm. Mais vous, vous n'allez pas dire que ce qu'il a fait, c'est normal. Il a été condamné, il a été jugé et condamné. Mhm. Et je crois qu'à à ce niveau, euh, nos, nos, quand même sont, assez responsables quand même. Pour Tout à fait. Et, on termine, on termine directement par, cette, dernière question, Monsieur Monsieur Monsieur Mbot, je vais commencer par vous. Alors, euh, l'actualité récente fait beaucoup parler de troisième mandat du mhm. président de la République qui est en gestation, même si personne n'a jamais entendu le président de la République, Macky Sall, dire qu'il va briguer un troisième mandat. Lui-même, on l'a entendu à travers les médias, dire qu'il a déjà clos le débat, il ne va pas se représenter pour un troisième mandat. Mais euh, ce qui étonne un peu les gens, on ne sait pas est-ce que si ça fait sciemment ou bien ces derniers ont été limogés parce qu'ils ont commis d'autres fautes. Je vous parlais de Sorikaba, je vous parlais de euh, Mustapha Djakate et, tant d'autres. Alors aujourd'hui, au niveau de votre parti, euh, quelle appréciation faites-vous de cette nouvelle démarche du président de la République par rapport à, cette question du troisième mandat qui s'agit Merci Badara. Avant de venir euh, au troisième mandat, mm-hmm c'est parce que je suis gentil que je vais enrichir un peu sa culture mhm. euh, de droit, vu que depuis tout à l'heure, je ne sais enrichir sa culture économique. En quelques secondes hein, pour, aborder, parce qu'il ne nous reste que 5 minutes. Hein. J'ai dit, mhm. Mhm. en droit, la coutume, les us, us, us, ça veut dire coutume, c'est une règle de droit. Vous parlez à un étudiant de droit, hein? D'accord. Ah, bon, bref, et après cela, pour le troisième mandat, euh, personnellement, personnellement, je crois que Macky Sall ne se représentera pas pour Parce que nous l'avons entendu un mhm. bon nombre de fois dire qu'il ne va pas se représenter. D'ailleurs, la dernière date en question euh, était, le dernier, était décembre dernier, mhm. lorsque votre confrère Sec lui a mhm. posé la question. Il a rétorqué que ce mandat était son dernier, pour que ça soit clair. hormis cela, sur un plan purement juridique, l'article 27, par son alinéa 2, règle la question. Ça dit Nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. C'est clair, net et précis. Maintenant, tous ceux qui disent que Macky Sall pourrait se représenter une troisième fois essaient de créer une corrélarité entre Macky Sall, le cas Macky Sall et le cas Wad, mhm. alors que c'est deux cas complètement différents. Pour en venir, l'article 27 du cas de Wad, lorsque le Conseil constitutionnel euh, prononçait la validité de la candidature de Wade le Conseil constitutionnel s'était apaisant sur le fait qu'il y, avait un article 104 qui créait une disposition transversale de la loi. Donc, ce faisant, l'ambiguïté autour de cet article 104 faisait peut-être que Wad avait droit à une troisième candidature ou non. Mais ici, sur ce cas de figure si précis, j'ai lu euh, sur le site du Conseil constitutionnel tout à l'heure en venant, ils ont été clairs là-dessus. Ils ont dit et ça, c'est une décision qu'ils ont rendue euh, en février 2016. Mhm. Décision numéro 1, c'est du 12 février 2016. Considérant, en outre, qu'il est inséré dans le dit article 27, dans l'alinéa 2, qui, pour régler une question de droit transitoire que j'ai précisé tout à l'heure, prévoit que la nouvelle disposition sur la durée du mandat du président de la République s'applique au mandat en cours. S'applique au mandat en cours. Donc, vu que le Conseil constitutionnel vide le débat depuis 2016, il n'y a pas matière à penser que Macky Sall puisse se représenter une troisième fois. Néanmoins, il faut que les Sénégalais se montrent prudents là-dessus, parce que nous l'avons entendu déjà dire une fois qu'il allait réduire son mandat à 7 ans, il ne l'a pas fait. Euh, de, 7 à 5 ans, de 7 à 5 ans, il ne l'a pas fait. Mhm. Donc, prudence, nous ferons montre. Ce fait, que c'est le Conseil constitutionnel qui prudence, pas euh, permis Il aurait pu démissionner. Mm. Prudence, donc nous <laughs> ferons montre sur ce cas de figure si précis. Mm-hmm. Et nous rappellerons à Macky Sall que 2012, il a été des bagnards. Il était parmi les bagnards en 2012. Il a été au front avec nous. Il était des premières lignes. Lorsque Wade voulut se présenter pour une troisième fois, Macky Sall a été un acteur très, très performant dans la lutte contre le bafouement de notre démocratie. Donc ça, c'est une dette qu'il avait donnée au peuple sénégalais. C'est maintenant, arrivé en 2024, il devient peut-être fou ou bien pris par ce qu'on appelle l'ubris, ce que les Grecs appellent l'ubris, c'est-à-dire une, une démesure totale qui corrompt l'esprit jusqu'à ce qu'il se croit tout permis. Il trouvera les Sénégalais sur son chemin. Et je vous jure que ça ne sera pas tiède pour lui. Tout à fait, tout à fait. Alors, euh, euh, Monsieur Ba, euh, depuis quelque temps, c'est devenu une chanson. Hein. bon nombre de Sénégalais disent que la question liée au troisième mandat est une question qui fâche chez vous. Parce que, tout simplement, comme l'a dit Mohamedou, le président a été clair sur cet aspect. Moi, je n'y reviens pas. Mhm. Alors, je crois que lui, ses préoccupations aujourd'hui, c'est de soulager les difficultés des Sénégalais. Mhm. Il a été élu tout récemment, moins de huit mois, sept mois, mm-hmm. on lui parle de troisième mandat. C'est pas sérieux. C'est prématuré. C'est prématuré, c'est précoce. Et c'est pas à l'ordre du jour. Ça devrait pas être à l'ordre du jour. Mm-hmm. Parce que quand même, euh, le Sénégal est régi par des textes. Il y a le code électoral qui est là, il y a la loi qui est là, qui régit tout cela. Le moment arrivé, s'il tentait de se représenter, c'est la loi qui lui dirait qu'il pourrait le faire ou bien qu'il ne pourra pas le faire. Alors à ce niveau, je crois qu'il ne doit pas avoir débat. Mhm. Le débat aujourd'hui, c'est de faire en sorte que euh, le, Sénégal puisse quand même euh, sortir de la situation de pauvreté euh, qu'il se trouve. Je crois que c'est ça. Aider le président, c'est aider à régler les difficultés de ces Sénégalais-là. Je crois que autre débat, c'est vraiment retarder, retarder vraiment le Sénégal en plus. Et, et le président l'a bien compris. S'il refuse qu'on parle d'installer ce, climat délétère mhm. dès, le début de son, de, son mandat. C'est que tout simplement, il a compris que cela, c'est des gens qui, sont contre le développement du Sénégal. Mhm. Il est prématuré d'en parler. Et que ce n'est même pas sérieux. Ce n'est même pas sérieux. Et quand je le dis, je le dis de, de ceux-là qui sont de l'autre côté, mais ceux-là qui sont avec nous également, qui évoquent, le qui évoquent le problème. Le problème ne devrait pas se poser le président euh, vient d'être réélu, il bénéficie de la confiance des Sénégalais. Il faudrait qu'on l'accompagne et qu'on l'aide quand même à, mettre en œuvre son programme, son, son PAP 2 qu'il a, a, a, bien euh, démarré à Guédiawaye, Et que nous, en tout cas, nos préoccupations, c'est de l'accompagner et de l'aider à, la mise en œuvre euh, de ces projets et programmes. Maintenant, c'est normal que des gens, quand ils croient que des situations, ils font de la météo politique. Ils croient que voilà, ceci, si ils, se positionnent et autres. Et il y a également des gens euh, qui, qui, le font, qui sont coutumiers des, des, des, faits. Des gens qui guettent le moyen pas pour voir pour là où s'allier ou bien se signaler au cas où. C'est ça la difficulté de, de, de, certains. Et pour la plupart, moi, je dis que c'est des gens qui, pas, qui, qui, qui ne sont pas des références pour nos jeunes. Euh, vous avez évoqué le cas de, du, du, directeur des Sénégalais de l'extérieur, qui, euh, moins de 72 heures, euh, après 72 heures d'ailleurs de sa déclaration, devrait être remplacé à ce poste. Il ne devrait pas précipiter pour prendre des positions qui, il sait, face le président de la République. Je crois que c'est ce n'est pas sérieux. C'est pas sérieux. qui Aujourd'hui, moi, je le dis, moi, je suis de l'APR, je suis membre fondateur du parti. Mhm. Et que je parle sur un plateau et que mes autres camarades euh, pourront me suivre, y compris mon camarade le président du parti. Euh, Moussafa, moi, j'ai toujours dit qu'il n'est pas euh, quelqu'un sur qui moi j'ai toujours compté pour défendre le président de la République. Parce que tous les combats que nous, nous avons eu à assister, moi, je n'ai jamais vu Moussafa dans ces combats-là. Et aujourd'hui, euh, moi, je dis que être conseiller du président de la République, être ministre conseiller du président de la République, quand même, ça te donne quand même un certain rang et, une certaine possibilité de rencontrer le président ou bien de lui envoyer une note. Parce que moi qui vous parle, j'étais dans le cabinet du président, J'essaye comment ça marche là-bas. Si tu as des choses à dire, tu peux le dire sans pour autant le voir d'ailleurs. Il est accessible. Il, a, mm. Il a des conseils là-bas, il est accessible. Quand tu lui écris une note, tu as ta réponse si ça nécessite une réponse. Je crois que ce n'est pas sérieux de venir vouloir conseiller un président ou bien contredire un président alors que tu bénéficies de sa confiance. Ce n'est pas sérieux, c'est un manque de sérieux. Maintenant, euh, ce qui était, ce qui était plus, plus, sérieux pour moi, c'est de prendre sa responsabilité. Si tu veux quitter une barque, tu n'as qu'à quitter. Parce que quand il était euh, vraiment aux commandes, on ne l'a jamais vu attaquer le président de la République. Et je rappelle que c'est lui, en 2010, fin 2010, qui avait écrit une lettre euh, de démission du parti pour dire que l'APR était un fan club en 2010. Et c'est ce fan club-là qui a pris le pouvoir. Aujourd'hui, et moi je ne me rappelle pas qu'il ait demandé une autre lettre d'insertion. Au moins, le Parlement, je considère Moustapha Diarté comme quelqu'un d'un allié du président, mais pas un membre de, l'Alliance pour la République. Il n'a aucune responsabilité dans le parti, malgré que le président lui a donné tous ses attributs-là, lui a fait confiance, il a trahi la confiance du président de la République. Il ne devrait pas attendre qu'on le limoge pour qu'il... Euh, bon, nous savons, c'est pratique. Moi, je me rappelle, sous Wad, avec son voiture à alternance, mhm. et que, euh, bon, moi, je le dis, hein, lui, il n'a jamais été euh, ami du président de la République. c'est vers 2009 qu'il nous a rejoint, qu'il a rejoint le président de la République. Alors que nous le savons, dans, dans le PDS, il n'était pas dans le même camp que son excellence le président Macky Sall. En tout cas, je crois que euh, si on veut aider le président de la République, nous d'abord, à commencer par nous qui sommes avec lui dans le parti et dans la coalition, mhm. nous devons s'orienter aux préoccupations quand même de ces Sénégalais qui le hantent lui. Tout à Lui, il n'a que, il n'a que, il n'a que, il n'a que, mission euh, de, de, de, de, rendre le Sénégal vraiment sur les rampes de l'émergence. C'est ce mhm. que c'est ce qu'il est en train de faire tous les jours et que nous également, nous, sommes, euh, nous, nous, allons nous suivre sur ce, sur ce terrain. Et que le moment venu, mhm. le débat pourra se poser. Et je pense que même le débat ne se posera pas. Parce que nous avons des textes qui sont là. Alors, c'est clair. C'est clair. Alors, alors Mamoudou Yayaba, je vous remercie infiniment. je vous en prie. Voilà, je rappelle que vous êtes le coordonnateur des jeunes du Ben du dans le département de Guédiawaï. Je remercie également Mohamedou Lamine Bouch. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la Plaisir partagé, Badara. Absolument. Je rappelle que vous faites, des, faites partie des responsables des jeunesse du Parti dans le département de Dakar. Nous vous avons reçu pour euh, évoquer plusieurs euh, sujets dans ce nouveau numéro de en ligne euh, qui, qui a déjà épilogué les temps ou bien les minutes qui lui ont été imparties. Merci également à tous ces techniciens qui m'ont aidé à préparer, à vous présenter ce nouveau numéro de en ligne, qui vous donne rendez-vous d'ailleurs la semaine prochaine avec d'autres invités. D'ici là, comme j'ai l'habitude de le dire, l'information continue sur la référence Dakaractu. Merci.